forum du studio le forum studio forum studio forum studio forum studio forum studio forum studio forum studio 18h passées de 16 minutes à Niamey, les programmes du studio Kalangou se poursuivent. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Les émissions du Studio Kalangou que vous recevez par le canal de plusieurs radios partenaires un peu partout à travers les huit régions du Niger. Ce soir, nous abordons aujourd'hui aussi ce forum avec un aperçu sur la situation humanitaire au Niger et avec euh, l'ouverture d'un atelier sur la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe. Ensuite, nous nous intéressons sur la poursuite des travaux de la 11e réunion des ministres de l'Intérieur des pays membres de la CENSAD sur la migration irrégulière et les enjeux sécuritaires dans l'espace sahélo-saharien. Et enfin, du sport avec une analyse succincte de l'actualité autour de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Gabon 2017. Le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes a procédé ce matin à la salle des banquets de la primature à l'ouverture de l'atelier sur la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe. Les participants à cette rencontre vont nourrir le document de la stratégie afin de s'adapter au contexte actuel et répondre de façon efficace aux catastrophes qui pourraient se produire. Qu'est-ce que ces catastrophes euh, nous causent autant euh, qu'est-ce que ces, ces catastrophes nous causent autant de pertes en vie humaine et en dégâts matériels L'expert Adamou Oumarou du système d'alerte précoce répond au micro de Hamadou Moumouni. Les risques et les catastrophes. Les catastrophes, ce sont quand un aléa touche donc euh, des personnes pour leur bien. Là, il a un aléa. Là, il devient catastrophe. S'il y a une inondation, si elle ne touche personne, si elle vient, elle passe, euh, ce n'est pas une catastrophe. Mais quand elle fait tomber des maisons, elle va faire en sorte qu'il y a des gens qui, euh, qui n'ont plus d'habitation, n'est-ce pas Et elle a touché leur moyen d'existence. Là, ça devient une catastrophe. Un feu de brousse, quand il vient, il euh, passe, il ne touche personne. Là, ce n'est pas une catastrophe, vous voyez, mais, euh, mais on le voit catastrophe quand ça touche, par exemple, euh, le, pâturage. Il y a, le pâturage pour les animaux. Donc, si ça touche, là, ça devient, vous voyez, ça devient une catastrophe. Donc, vous voyez un peu le sens de catastrophe. Quand on dit catastrophe, qu'est-ce qu'il faut, à quoi il faut ah. se référer Oui, ici, euh, au Niger, nous, nos principales catastrophes, on a identifié la sécheresse. La sécheresse, vous voyez, quand il y a sécheresse, il y a moins de pluie les cultures ne poussent pas bien, et on est en crise alimentaire. Ça, c'est une catastrophe. Les inondations, quand ça touche, vous voyez ces dernières années-là, quand il pleut, toutes les maisons qui tombent par-ci, par-là, ça, on, vit ce phénomène-là. Et il y a les maladies. Les maladies des personnes, il y a des épidémies. Par exemple, quand choléra, méningite, vous vous rappelez, l'année passée, à même, hein, vous voyez, donc c'est vraiment, c'était la psychose. Au niveau des animaux aussi, il y a donc ces épidémies-là qu'on appelle aussi chez les animaux aussi. Parce que vous savez, les animaux, c'est les, euh, les moins d'existence des de, de, personnes. Chez, euh, par exemple, si chez les agriculteurs, c'est leur, euh, c'est leur épargne comme ça, mais chez les éleveurs, par exemple, eux, c'est vraiment leur bien comme ça. Vous voyez, non? Donc quand ça touche euh, ces animaux-là. Donc euh, ça, c'est une catastrophe. Donc il y a eh, les ennemis de culture. Je ne sais pas si vous avez vécu un peu la période des criquets pèlerins en 2004, n'est-ce pas Vous voyez, façon, ça ravage complètement et le pâturage et les cultures. Ça, c'est une catastrophe. Il y a les conflits sociaux aussi. Si vous vous rappelez de ce qui s'est passé, par exemple, euh, dans le département de Madawa cette année, en 2016, où des communautés se sont affrontées avec des morts, vous voyez, ça, c'est une catastrophe. Il y a des catastrophes humaines et des catastrophes naturelles. Voilà, il y a des catastrophes humaines, il y a justement, il y a naturelles, et il y a aussi les feux de brousse et les incendies. Vous vous rappelez de, Dosso, bah, environ à peu près oui types de catastrophes euh, nous avons identifiés pour euh, le Niger. C'est des catastrophes que l'homme a toujours vécu. le Niger l'a toujours vécu. Est-ce que vous avez des données sur ces, catastrophes Oui, on a, des données. Nous avons une base de données que nous avons développée, que nous appelons des inventaires, donc qui a fait un peu les statistiques depuis 1973 à 2013 et nous avons identifié 3702 catastrophes pour euh, le Niger et encore plus de 10 000 morts pertes en vie humaine donc liées à ces phénomènes-là, et encore les pertes. Il y a les, les superficies qui sont inondées, n'est-ce pas Les maisons qui sont effondrées, n'est-ce pas Les habitations, les, les ponts, les routes, les infrastructures, Hmm, les hôpitaux, les écoles, tout ça là, qu'on a évalué donc sur la période qui fait 1765 milliards de francs CFA de perdus. On connaît les catastrophes. Au lieu de venir en prévention, on attend que les catastrophes viennent pour les... C'est ça qu'on cherche euh, à changer justement avec euh, la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes. On veut changer la tendance, c'est-à-dire il faut prévenir. Donc pour prévenir, il faut connaître. On va sensibiliser les gens, n'est-ce pas On va développer des systèmes d'alerte précoce pour euh, sensibiliser les gens, n'est-ce pas pour se prémunir de ces catastrophes-là avant que ça n'arrive. Et puisque si vous connaissez, vous êtes sensibilisé, vous êtes informé, n'est-ce pas Donc euh, vous serez moins exposé. C'est comme euh, la météo, par exemple, vous voyez, elle annonce les pluies, l'arrivée des pluies. Donc, euh, quand vous avez donc des biens qui sont exposés et qui peuvent être périssables liés à cette pluie-là. Vous savez que vous allez, comment dirais-je, les protéger. Donc c'est comme ça. Donc c'est un peu ce système-là que nous avons, de, nous allons développer et aussi que ça soit sur toute l'étendue du territoire et faire intervenir toutes les parties prenantes, tout le monde, c'est-à-dire les, c'est-à-dire euh, depuis le niveau des autorités jusqu'aux autorités communales, n'est-ce pas, jusqu'aux communautés, donc qu'elles comprennent donc, et qu'elles agissent dans, dans ce sens-là pour pouvoir réduire justement ces catastrophes-là. Qu'est-ce que vous mettez en avant pour réussir votre stratégie euh, euh, Ce que nous allons mettre en avant, c'est justement cette sensibilisation-là. Cette sensibilisation, on va... Euh, intégrer, c'est-à-dire tout, euh, tous les parties, toutes les parties prenantes, c'est-à-dire ça ne sera pas, on va mettre euh, en tout cas tous les efforts en commun donc pour pouvoir intervenir. Vous avez un coût déjà euh, nous avons nous avons un coût pour le plan d'action pour le plan d'action euh, je pas le chiffre exact en tête, mais ça doit faire euh, plus de 700, c'est plus de 700 milliards donc euh, qui seront mis en œuvre pour la période 2016-2020. Euh, les catastrophes, pour les, les arrêter, il faut des, moyens. Il y a l'État qui est en avant, en dehors de l'État qui, qui vient en appui. Nous avons des, nous avons des partenaires. Il y a d'abord l'État, vous voyez L'État, c'est-à-dire quand les personnes sont sensibilisées, n'est-ce pas, que tout ce que vous faites vous intégrez la réduction des risques de catastrophe. C'est-à-dire que pratiquement toutes les ressources de l'État donc euh, qui sont utilisées au niveau des ministères, ça veut dire que ces ressources-là sont dédiées à la réduction des risques de catastrophe. Donc vous voyez que ça veut dire que ce que l'État va injecter, c'est beaucoup. Puisque si toutes les parties prennent, tout le monde comprend, les acteurs des ministères techniques, les techniciens, donc comprennent, donc ils vont sensibiliser la population. Donc vous voyez, c'est une très grande partie donc euh, qui est orienté vers la réduction des risques de catastrophe. Maintenant, s'il y a un manque à gagner, nous avons des partenaires, nous avons surtout le PNUD qui nous accompagne beaucoup à travers lui-même qui fait du plaidoyer encore pour, euh, attirer encore d'autres euh, acteurs pour nous accompagner dans ce domaine-là. Quelle est la meilleure façon mhm. de, prévenir une catastrophe dans un village, par exemple Nous, au niveau des villages, nous avons l'expérience n'est-ce pas Nous avons des structures que nous avons mises en place que nous appelons les SCAP RU. C'est des systèmes communautaires d'alerte précoce et de réponse aux urgences. Ces structures-là, euh, de la manière dont on les a mises en place, il euh, y a des représentants qui apportent l'information sur tous les secteurs de la vie. C'est-à-dire quelqu'un qui va venir, vous, euh, qui, va, qui est chargé de collecter les informations sur l'environnement, sur l'agriculture, sur l'élevage, sur la santé, hein, sur euh, tous les aspects de, en tout cas pour, pour c'est-à-dire les personnes, les habitants la vivent bien. Donc il y a quelqu'un qui est chargé de collecter cette information, de les partager avec la communauté et de rapporter donc au niveau des instances supérieures, au niveau de la commune et qui va monter jusqu'à euh, au niveau du système d'alerte précoce. Vous Donc ça veut dire que il faut que eux-mêmes ils maîtrisent donc ces aspects-là. Vous voyez, non Ces aspects. Donc, il y a des indicateurs. Ils sont formés sur un certain nombre d'indicateurs pour dire que nous sommes en situation normale, nous sommes en situation d'urgence, nous sommes en situation d'alerte, ainsi de suite. Donc, selon les indicateurs, donc, eux ils voient voyez, non Si, par exemple, dans, eh, nous sommes en période d'hivernage et que vous voyez un courrier qui menace, mais vous voyez, donc ils comprennent et ils prennent des dispositions avant que ça soit un vrai courrier qui un jour va les inonder. voyez, Si, par exemple, on est en hivernage toujours et que, par exemple, la, la saison des pluies vient de commencer, n'est-ce pas Les gens, peut-être que les gens n'ont pas encore semé, ça fait 10 jours, 15 jours, 20 jours, donc tout le monde a semé sauf nous. Ça, c'est des indicateurs non, qu'il faut alerter et pour pouvoir prendre des dispositions, n'est-ce pas Si par exemple on a semé et que on commence à avoir euh, comment dirais-je des insectes, voilà, vous voyez non Donc il faut prendre des dispositions très tôt. Donc ça veut dire que en prenant ces dispositions là, on n'aura pas crise alimentaire à la fin. Adamou Oumarou, expert au niveau du système d'alerte précoce, ce matin, à marge des travaux de l'atelier sur la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes. Il est admis par tous que euh, les catastrophes, toutes nature confondues, nous causent beaucoup de pertes, tant en, vue euh, en humain que matériel. Alors, il faut vite agir pour y faire face, d'où la stratégie nationale de, risque, de réduction des risques de catastrophe euh, qui est actuellement en discussion avec la participation de tous les acteurs concernés. Que vise cette stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe, les explications du ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes Lawa Magaji au micro de Amadou Moumouni. Le Niger a d'abord, euh, depuis 2012, année où on a eu, si vous vous rappelez, euh, une des catastrophes les plus marquantes avec euh, les grandes inondations qui ont concerné les régions de Tilaberi, Niamey, Dosso et Difa. Le Niger a mis en place une plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe, qui a élaboré une stratégie nationale qui n'est pas encore adoptée par le gouvernement, mais qui est en train d'être vulgarisée pour pouvoir recueillir le maximum d'informations, le maximum d'expériences qui vont permettre de l'enrichir afin que le gouvernement puisse valider une stratégie la mieux adaptée. De même, même titre que le gouvernement, avec le ministère de l'Action humanitaire, est en train d'élaborer une politique nationale de l'action humanitaire et la gestion des catastrophes. Donc les deux vont aller ensemble. C'est dans ce cadre-là que les experts ont été réunis de l'ensemble du Niger pour pouvoir travailler, voir dans quelle mesure, avec l'expertise des communicateurs, on pourra vulgariser et recueillir vie des Nigériens. Voilà l'objet de cette rencontre. Mais en attendant, qu'est-ce qui est fait Par exemple, cette année, nous, sommes, nous, faisons face à une crise alimentaire. Vous avez parlé de feux de brousse, vous avez parlé des épisodes aussi. Mhm. Concrètement, qu'est-ce qui est fait sur le terrain Bon, mais sur le terrain, euh, euh, euh, il y a beaucoup de, choses qui sont en train d'être faites. D'abord, euh, avec les différentes institutions, il y a la veille. La veille, c'est-à-dire, il y a des structures aujourd'hui comme la météorologie, comme la, Direction générale des ressources à qui ont un dispositif qui permet de renseigner la, situation du Niger en matière d'inondation de vents violents et d'autres catastrophes. Donc par rapport à ça, nous avons déjà, nous sommes déjà assez avancés. Dans la pratique, lorsque euh, au-delà de la prévention, il y a une survenue d'une catastrophe, le Niger est un des pays qui a un dispositif qui lui permet d'agir immédiatement, dans l'urgence, dans, la, dans les 72 heures où il y a une situation, le Niger est le premier à venir. Puis il fait appel à ses partenaires, donc les acteurs, la communauté humanitaire, qui vient maintenant en appui. Mais c'est toujours le Niger qui est le premier à venir, avec, euh, malgré les maigres moyens que nous avons, nous sommes toujours les premiers à venir en secours à ces populations en détresse en cas de catastrophe. Donc par rapport à ça, sachez que toutes les catastrophes qu'il y a eu au Niger, au courant par exemple de l'année 2016, il y a eu automatiquement la réaction du gouvernement, puis les partenaires ont suivi. La prévention est quand même un problème. non, non, c'est ce que j'ai dit. La prévention, c'est quelque chose qui a besoin du il faut qu'on se prépare. C'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure dans, dans, dans, le discours et dans mon intervention, euh, il vaut mieux prévenir que guérir. Nous avons aujourd'hui plus de 1700 milliards qu'on a perdu en 40 ans. Imaginez s'il n'y avait pas cette, cette perte, peut-être le Niger allait être un pays émergent. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que le Niger va faire ce qu'il peut pour pouvoir, dans le cadre de la prévention, aider les communautés. Et c'est pour ça que j'ai demandé aux techniciens de se renseigner auprès des populations de base qui ont des indicateurs qui leur permettent de dire cette année il y a tel risque, il y a tel risque, il y a tel risque. Il faut impliquer ça, les impliquer et mettre dans la, prévention. Et ainsi, l'ensemble du pays va ouvrir les yeux pour faire la veille aux préventions et certainement on en tirera beaucoup de, Justement, comment vous voyez le rôle des populations Le rôle des populations, elles sont au centre. Aujourd'hui, un agriculteur, il connaît mieux que quiconque les dimensions de son champ, il connaît comment ça évolue depuis son grand-père jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en matière de l'environnement, en matière de changement climatique, il le sait. C'est techniquement peut-être qu'il ne peut pas exprimer. Mais lorsque le technicien qui a la partie technique vient vers lui pour échanger avec lui, on va certainement joindre la recherche et la et certainement le pays va servir de pays pilote, de pays phare en Afrique par rapport aux préventions des catastrophes. Les travaux de la 11e réunion des ministres de l'Intérieur des pays membres de la SENSAD sur les migrations irrégulières et les enjeux sécuritaires de l'espace sahélo-saharien se poursuivent actuellement à l'hôtel Gawé de Niamey. Ce matin, ce sont les experts des frontières des pays membres de l'espace sahélo-saharien qui se sont penchés sur les migrations irrégulières et les enjeux sécuritaires. Martin Kogomou est commissaire divisionnaire, directeur central adjoint de la police de l'air et des frontières de la République de Guinée. On l'écoute. Que peut-on comprendre par migration irrégulière Voilà, comme son nom l'indique, la migration irrégulière, c'est une migration qui est illégale, qui n'est pas dans les normes. Donc, euh, et ça, ça devient un fléau aujourd'hui parce que les jeunes africains se lancent euh, dans cette euh, migration avec toutes les conséquences. Et généralement, vous voyez l'âge de ces jeunes migrants qui sont entre 15 à 30 ans et ces jeunes constituent la force ouvrière de l'Afrique. Et si l'Afrique se vide de cette force ouvrière, c'est vraiment un danger. Quel lien peut-on faire entre la migration irrégulière et l'insécurité euh, dans l'espace euh, du Sensat Oui, vous savez, euh, les mafras profitent toujours. Les criminels savent qu'ils sont recherchés, donc il faut qu'ils passent à travers les mailles. Donc ils profitent de cette immigration irrégulière pour se dissimuler et puis profiter, euh, commettre des actes criminels sous le couvert de cette euh, immigration clandestine. Parce que ce pas des gens qui sont inconnus, connus, sont pas des gens qui sont recensés, c'est surtout des gens qui sont sans euh, documents de voyage. Donc ces criminels profitent par ça pour faire leur sale besogne. Donc ça devient préoccupant pour nous, euh, forces de euh, sécurité, parce qu'il faut faire la différence entre ceux qui s'engagent dans euh, l'immigration irrégulière pour chercher le bien-être et ceux-là qui profitent de cette immigration pour commettre des crimes. Votre pays, la Guinée, est un pays de départ d'immigrants. C'est quoi la cause de ce phénomène C'est vrai, ça, je le confirme, la Guinée est un pays de départ. Il y a assez de jeunes Guinéens qui se lancent euh, dans l'immigration. Mais vous voyez, ça c'est un phénomène social. Et surtout, c'est un problème de gouvernance surtout de bonne gouvernance. S'il y a l'injustice dans un pays, si les ressources ne sont pas bien reparties dans un pays, ça va créer la frustration. Et les gens vont forcément aller là où il est bon de vivre. Alors, vous voyez chez nous, aujourd'hui, avec les charges euh, de l'État, il y a la jeunesse qui est abandonnée. Les écoles ne sont pas bien entretenues. Le niveau est bas. Or, pourtant, il y en a d'autres qui ont les moyens d'envoyer leurs enfants à l'extérieur. Ils vont se former très bien dans les universités et à leur retour, ce sont eux qui sont employés, ce sont eux qui sont choisis parce qu'ils présentent de bons CV. Alors, et les autres, les enfants des autres, les enfants des pauvres, qu'est-ce qu'ils vont faire c'est pourquoi la famille va leur dire, mais vous aussi, allez-y, soyez comme eux, soyez comme les enfants des riches, soyez comme les enfants des ministres. Alors ces jeunes s'engagent sans savoir ce qui les attend. Il y a le désert, il y a la mer. Et c'est malheureux, le plus souvent, ces jeunes la trouvent la mort. La famille a perdu, la famille a vendu tous ses biens. Imaginez, je suis en Guinée, ceux qui s'engagent dans l'immigration latine il faut 5 000 euros pour traverser la mer. 5 000 euros, comment cette famille pauvre va l'avoir Il faut vendre les biens, il faut vendre les ressources, il faut vendre eh, le bétail, il faut vendre les parcelles pour que cette enfant-là plonge dans l'inconnu. C'est dommage et c'est grave. Quels sont les efforts qui sont en train d'être euh, faits au niveau de votre pays pour un peu euh, fixer les jeunes euh, sur place au pays C'est vrai, depuis eh, l'avènement du que le président Alpha Condé s'investisse au niveau de la jeunesse. Parce qu'il a placé son mandat pour le compte de la jeunesse. Donc, il y a des projets pour les jeunes qui sortent de l'université. Et ceux-là même qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, il y a des projets pour eux. Vous avez entendu un tailleur, une machine. Donc, c'est ces projets-là qui retiennent les jeunes aujourd'hui en Guinée. Et là, nous voulons remercier le président, mais nous voulons qu'il fasse plus. Parce que la demande est là, le besoin est là. Faire plus euh, dans quel sens euh, Comment par exemple Faire plus, c'est vraiment former les jeunes, l'école, investir dans l'école, investir dans la jeunesse créer vraiment des actions pour les jeunes, pour que les jeunes puissent s'épanouir, pour que les jeunes puissent se développer. Ils ont besoin de ça. C'est pourquoi ils se lancent dans l'inconnu, pensant que l'Europe, c'est l'or, pensant que l'Europe, c'est tout. On c'est pas pas la réalité. Nous avons tout chez nous ici et nous sommes bien chez nous. C'est un problème de gestion. Tout récemment, l'Algérie, euh, qui est un pays de transit, a expulsé de façon un peu forcée beaucoup de migrants subsahariens. Comment est-ce que vous avez accueilli euh, cette expulsion forcée de l'Algérie euh, sur place là-bas chez vous en Guinée C'était avec tristesse. Surtout ce qui m'a choqué le plus, ce que j'ai appris, qu'on des noirs. Pourquoi la couleur de la peau Qu'est-ce que la couleur de la peau a à voir dans l'immigration En Guinée, chez nous, il y a des Algériens qui viennent se chercher. Est-ce qu'on pouvait les repousser parce qu'ils ont la peau berbère ou la peau arabe Non. Je crois que ça, c'est fausser le débat. C'est fausser le débat. On peut demander le retour volontaire. On peut amener les gens à se retourner chez eux, mais dans la dignité, dans la dignité humaine. Il faut considérer la personne humaine. Et surtout que l'Algérie, c'est un pays frère c'est un pays ami et je crois que c'est un pays musulman. Donc ce n'est pas ce que Dieu nous dit. Donc je demande au peuple algérien de mettre Dieu devant, de mettre tout ce qui est humain devant, de mettre tout ce qui est digne devant et d'agir conformément à la dignité humaine. Faut-il euh, permettre aux migrants de passer ou bien les bloquer et les faire retourner chez eux D'abord, je voudrais remercier le Niger qui est confronté à ce problème de transit. En tant qu'officier de police de l'air et des frontières, j'en sais. Quand vous allez, la ville est d'Agadez. C'est peuplé de jeunes migrants qui sont là, qui veulent partir. Et ça fait une charge, ça fait un poids lourd pour l'État nigérien. Un État qui se bat pour, pour son bien, pour son bien-être. Alors, ajouter ces migrants à ce peuple-là, ça devient difficile. Donc je voudrais les remercier pour l'entretien qu'ils font de ces migrants. Mais il faut un, effort conjugué. Le Niger seul ne peut pas régler euh, ça. Il faut les pays d'où viennent ces migrants-là s'intéressent au Niger et en fait de trouver une solution pour le retour volontaire dans la dignité de ces migrants qui doivent retourner chez eux beaucoup de penseurs africains ou bien beaucoup euh, d'intellectuels africains pensent que c'est parce que euh, l'Europe a dépouillé euh, l'Afrique de ses richesses que les gens émigrent vers l'Europe. Est-ce que cette thèse est défendable chez vous Mais c'est bien défendable. Hein. L'Afrique était là, c'est l'Europe qui est venue. C'est l'Europe qui est venue nous chercher. C'est l'Europe qui a fait voir à l'Afrique ce que c'est que l'Europe et surtout sur, un seul plan, la beauté, les images, le cinéma, la télévision. Mais sans oublier qu'en son sein, il y a des taudis dans les villes européennes où les gens n'ont pas où dormir. C'est en Europe que tu vois un homme sans domicile fixe, c'est seulement en Europe. Mais l'Europe ne présente pas ça. C'est quand nous allons en Europe qu'on découvre cette Europe-là, cette Europe de misère. Et ça, c'est la tromperie. L'Europe a trompé l'Afrique. Et l'Europe Continue de prendre les biens de l'Afrique par le biais de la colonisation, par le biais de la euh, coopération dont ils chantent. Mais l'Europe gagne plus à l'Afrique qu'elle ne donne à l'Afrique. Est-ce que ce ne sont pas les jeunes africains qui se trouvent en Europe qui envoient des images euh, euh, sur WhatsApp, euh, Facebook Est-ce que ce n'est pas ces genres d'images qui incitent la jeunesse à aller en Europe Mais c'est de bonne guerre, puisque moi, quand je vais en Europe, je pense que je vais être dans le modernisme, dans l'aisance. Mais quand je vais, je trouve autre chose. Mais la honte va m'amener à présenter le contraire de ma vie réelle en Europe. Donc je vais prendre des photos sur des places euh, publiques, de belles places, j'envoie chez moi en Guinée pour dire que je suis en Europe, je vis bien. Mais la réalité est contraire. Allez-y en, Europe, vous allez vivre les faits, vous allez vivre la réalité, comment les gens souffrent, comment les immigrés sont. C'est grave. Aujourd'hui, il faut réveiller la conscience des jeunes Africains. Ils ont leur bonheur en Afrique. Tout ce qu'ils veulent avoir, c'est en Afrique. dans la dignité, dans le respect de l'humain, c'est beau de rester en Afrique. L'Europe, l'Europe, c'est la tromperie. Encore, je le dis une fois de tous. Est-ce que vous pensez que l'Union européenne doit augmenter l'enveloppe euh, d'aide publique au développement euh, qui n'atteigne pas ce que, dans certains pays comme le Mali, ce que les migrants envoient chez eux au Mali Même si l'Europe donnait tout à l'Afrique, l'Europe n'aurait rien donné à l'Afrique parce que l'Europe reçoit l'Afrique plus qu'elle ne donne. Donc, c'est vraiment pour eux une raison de se rattraper de donner encore plus à l'Afrique. Ils ont besoin qu'une Afrique soit stable, une Afrique soit développée. Aujourd'hui, vous voyez l'Europe, les hommes politiques émergent partout avec simplement des slogans, des slogans pour lutter contre la migration. L'Europe a ce problème-là. L'extrême droite se développe en Europe à cause de la migration. Donc si l'Europe veut aussi sa stabilité politique, c'est d'abord de s'unir à l'Afrique et traiter ce problème de migration. Mon commissaire, je vous remercie. C'est à moi de vous remercier. Martin Kogumu, commissaire divisionnaire, directeur central adjoint de la police de l'air et des frontières de la République de Guinée, à marge des travaux de la 11e réunion des ministres de l'Intérieur des pays membres de la SENSAD sur les migrations irrégulières et les enjeux sécuritaires. sachemine vers un véritable assainissement du secteur de la santé à l'issue d'une rencontre ayant réuni autour du ministre de la Santé publique toutes les parties prenantes intervenant dans le secteur, le ministre de la Santé Iliadou Iliassou Idi a décidé de la fermeture de toutes les officines du secteur de la santé en porte-à-faux avec la loi en vigueur au Niger. L'acteur de la société civile, Noumou Mahamadou Arzika, salue cette décision du ministre de la Santé. Nous, Ardika, bonjour. Bonjour, monsieur Mokhtar. Vous avez assisté à la rencontre entre les différents acteurs de la société civile, les différents cadres de la santé, autour du ministre de la Santé publique pour parler des mots qui minent le secteur de la santé. Le ministre a pris des dispositions pour faire régner l'ordre. Est-ce que vous êtes d'avis avec l'engagement du ministre de la Santé publique Effectivement, nous avons assisté à la demande du ministre de la Santé à une rencontre qui a regroupé les promoteurs des écoles euh, de santé, les promoteurs des établissements de santé et puis les établissements pharmaceutiques. À l'occasion de cette rencontre-là, en effet, un échange euh, s'est établi entre euh, tous les participants et parmi lesquels nous y étions. Et effectivement, il s'agissait de réfléchir sur les difficultés qui sont observables et constatables aujourd'hui dans le secteur de la santé. Et c'est à ce titre-là que nous avons, en ce qui nous concerne, donc, euh, intervenu et interpellé le ministre et tous ceux qui étaient à la réunion sur le fait qu'il y a effectivement des difficultés sérieuses qu'on ne saurait d'ailleurs gérer dans le seul cadre d'une telle rencontre et qu'il faille envisager euh, d'aller vers euh, les états généraux du système de santé de notre pays pour permettre de voir euh, plus clair sur l'organisation de notre système de santé. Comment on va avoir un système de santé qui soit capable de répondre aux aspirations du peuple à la jouissance de ses droits à la santé que consacré par la Constitution de notre pays. Avant d'aller aux États généraux euh, de la santé, le ministre a pris eh, quelques mesures. Est-ce que vous êtes euh, d'avis avec euh, le ministre Ce qui a pu se passer, c'était la décision de respecter les textes. Nous avons effectivement fait cette recommandation qui consiste à dire en attendant les états généraux et les recommandations qui en seront issues et la transformation de ces recommandations en des réformes à mettre en œuvre, et en attendant, il faut faire respecter les textes. Parce que le problème que nous avons dans notre pays, c'est que les textes existent, mais ils ne sont pas appliqués. Ils ne sont pas respectés par tous les acteurs. Que ce soit les acteurs au niveau du ministère, comme les acteurs au niveau des promoteurs. Donc la seule victime, c'est le citoyen. Le citoyen que nous défendons en tant que consommateur des services de santé, c'est lui qui est la victime. C'est nous avons dit, donc nous ne pouvons pas admettre que nous soyons dans une république, qui plus est, est un état de droit qui assure à tous l'égalité devant les services publics de l'administration et qu'on soit dans une situation où il y a des gens qui décident délibérément de refuser de respecter les lois et règlements de la République, qui sont censés garantir la sécurité à tous les citoyens, du point de vue de la jouissance aussi des droits à la santé tels que consacrés par euh, notre Constitution, que les citoyens puissent en jouir. Aujourd'hui, vous avez un parterre de, de, difficultés et des problèmes que nous avons relevés, qu'il s'agisse des écoles de formation de santé qui forment aujourd'hui plus des agents de santé qui sont même plus un danger pour la santé publique que des véritables capables de pouvoir faire face aux besoins de santé parce qu'ils sont mal formés et ils, ont, ils sont formés dans un environnement qui ne les permet pas de bien apprendre. Et ensuite aussi au niveau des, des, des centres de santé, centres de santé tels que les établissements, les cliniques, les salles de soins, les cabinets de médicaux, les polycliniques et autres, les gens parfois ils viennent, ils créent leur institution sans aucun égard aux obligations légales qui sont prévues et à la réglementation en vigueur. Les pharmacies, c'est la même chose du point de vue de la fourniture des médicaments. Vous avez bien constaté dans ce pays, tout le monde pratiquement fournit le médicament et faut fournissent le médicament dans les conditions les plus abjectes qui exposent les citoyens à l'automédication et au danger de la consommation de ces produits qui ne sont pas forcément des produits recommandés ou recommandables et par des personnes qualifiées et qui connaissent bien le médicament. Donc nous avons dit que ça, c'est des choses très dangereuses et il faut que les gens fassent extrêmement attention. Le secteur de la santé est un secteur extrêmement important et parce qu'il est extrêmement important, nous avons absolument le, devoir de faire extrêmement attention parce que les erreurs médicales, c'est la mort. En cas d'erreur médicale, on peut se retrouver aussi avec des perturbations dans son corps de façon définitive. Et cela doit être, doit être euh, bien compris, doit être bien perçu par tout le monde. Et c'est pour ça que nous devons tous ensemble faire extrêmement attention à l'ensemble de ceux qui représentent l'offre de santé de notre pays. Qu'il s'agisse de l'offre de santé publique ou de l'offre de santé privée, on doit mettre en place un mécanisme qui doit permettre de faire en sorte que le suivi et la rigueur soient mises à tous les niveaux pour que les citoyens ne soient pas exposés et que vous venez euh, avec une maladie qui, euh, qui est peut-être euh, très bénigne. Mais parce que vous avez affaire à des mauvais agents de santé, ils peuvent vous prescrire des médicaments qui ne sont pas ceux qui sont recommandés ou adaptés à votre cas de maladie. où vous avez, moi, j'ai vécu ça quand j'étais à l'hôpital national. Disons à l'hôpital où j'étais il y a deux ou trois mois. J'ai vu des, des, infirmières qui ne connaissent pas comment administrer un médicament tel qu'on les recommande, tel qu'on leur demande de le faire. Et c'est ça qui explique, tout ça, c'est les défaillances de la formation. Normalement, quand, on, prescrit un médicament, on dit voilà comment l'administrer. L'infirmière est censée connaître comment lire la notice du médicament pour savoir comment le, médicament là est censé être administré au niveau de la personne et du patient. Mais malheureusement, elles ne lisent même pas les notices, elles ne font rien. beaucoup de gens sont venus à mourir comme ça. Parce qu'on a dit de mettre, eh, par exemple, un sérum glucosé, vous, vous eh, mettez un sérum salé pour quelqu'un qui, eh, qui, a, la tension. Et ou bien on vous demande de mettre un sérum salé, vous mettez un sérum glucosé pour quelqu'un qui a le diabète. Donc, et, tout de suite, la personne, euh, elle s'en va. Et après, on dit, bon, euh, c'est fini, c'est fini, on arrange, on cache, et on parle erreur médicale. Et c'est la mort, les gens sont morts. Ou on vous dit de mettre un hypertenseur, quelqu'un qui, a une, qui a une hypotension, on, vous met un hypotenseur à la place d'un hypertenseur. Donc, et tout ça parce qu'il y a des gens mal formés, des gens qui ne savent pas ce qu'ils font et des gens qui sont imprudents dans leur façon de travailler. Est-ce qu'il faut euh, subitement fermer euh, les centres de santé, les pharmacies et les écoles euh, ou bien il faut amener les promoteurs à respecter les textes il faut tout simplement amener tous les promoteurs, tous les promoteurs, il faut les amener à respecter la réglementation en vigueur. Vous ne pouvez pas ouvrir un centre de santé, une clinique, une polyclinique et faire ce que la loi ne vous autorise pas à faire. Et si vous tuez des gens, on fait quoi vous ouvrez un centre de santé et, vous le faites euh, animer par des gens qui n'ont aucune qualification. Et les gens viennent chez vous parce qu'ils croient que vous êtes légalement autorisé et ils vous font confiance parce qu'ils considèrent que si on vous a autorisé à ouvrir votre clinique, c'est que vous êtes autorisé à recevoir des malades. Et si vous recevez des malades alors que vous ne connaissez rien, mais vous allez tuer les malades et puis c'est la mort. Et on fait quoi Donc c'est pour ça qu'il faut prendre des mesures pour protéger la population. Il faut prendre des mesures pour protéger les citoyens. Il ne faut pas regarder les commerçants là qui ne cherchent que l'argent, qui pensent que bon, voilà, c'est une opportunité, on gagne de l'argent dans la santé parce que tout le monde est malade, il est obligé d'aller chercher à se soigner. Donc, euh, on vient, on ouvre des établissements. Si on est vendeur de médicaments, on sait que les gens achètent des médicaments. Allez, hop, on court, on rentre dans la vente des médicaments, on crée des pharmacies au hasard et on fait des ventes de médicaments par des gens qui n'ont aucune connaissance du médicament. Normalement, une officine, une, une pharmacie, quand elle vient à ouvrir, il faut un, un pharmacien qualifié qui est capable même de lire les prescriptions du médecin. Quand le médecin dit de, il vous fait une ordonnance, il, aligne un certain nombre de produits et tu ne peux même pas, par exemple, s'aligner, c'est le pharmacien qui connaît si oui ou non, en mettant tel produit avec tel autre, il n'y a pas de risque d'interférence médicamenteuse, il n'y a pas de risque de, de, complications, parce que ces produits-là ne peuvent pas être consommés en même temps. Mais le médecin peut ne pas le savoir, mais le pharmacien, il le sait. Quand tu viens vers lui, au lieu, s'il voit qu'on a pas ça, il va dire attention, il va appeler le médecin en question pour lui dire ces deux produits-là ne peuvent pas être ensemble, donc où tu es pris, où tu prends ça, où tu prends ça, ou alors il fait une recommandation Mais s'il n'y a pas de pharmacien dans la pharmacie pour regarder le produit, pour, ça, regarder l'ordonnance et savoir qu'est-ce qui se passe, ici on a affaire à des, des vendeurs qui ne cherchent qu'à faire du, chiffre d'affaires. Mais donc ça veut dire que les populations vont acheter ces médicaments, elles vont aller le consommer et c'est la mort. Parce que vous allez prendre des produits qui peuvent vous compliquer la vie au lieu de vous soigner. Quand vous avez des gens qui ouvrent des cliniques, au hasard, sans qu'on ne contrôle, sans qu'on les autorise à, le faire, personne ne vient si vous savez une Mais écoutez, les populations vont aller s'adresser à ces gens-là, ils vont les faire euh, un traitement qui n'est pas adapté et, ils, finissent par avoir tout le moins, ils vont avoir peut-être des, problèmes même s'ils ne vont pas mourir, peut-être qu'ils vont avoir des déformations dans leur vie et ça c'est inadmissible. C'est pour ça qu'il faut être rigoureux par rapport au système de santé. Et ça fait 22 ans que nous sommes en train de travailler par rapport à l'amélioration en qualité de, de l'application de, de l'offre de santé au Niger pour assurer la santé des populations et rendre possible la effective du droit à la santé par tous les citoyens nigériens où qu'ils se trouvent sur le territoire. Alors nous, Mahmoud Wardika, qu'est-ce que les autorités euh, doivent faire euh, pour ne pas qu'il y ait une discrimination dans le cadre euh, du respect des textes Par exemple, si la loi frappe certains, il faut que la loi frappe tout le monde. Que faire La loi doit être égale pour tous. Et quand on doit l'appliquer, on l'applique à tout le monde dans les mêmes conditions. Il n'y a pas de barre à barre à faire ou de discrimination. La Constitution, à son article 4, alinéa 2, elle interdit la discrimination sous toutes ses formes. C'est interdit, c'est banni par la loi. On ne peut pas le faire dans l'exercice du pouvoir d'État. Si on le fait, on aura violé la Constitution. Donc même l'autorité n'a pas le droit de faire une application sélective de la loi sur la base des considérations qui sont précisées dans la Constitution. Parce qu'on a dit dans la Constitution, il n'y a pas de, l'exercice du pouvoir d'État, donc dans l'exercice de l'autorité publique. Il n'y a pas de pouvoir personnel, il n'y a pas de d'ethnocentrisme, le régionalisme, le favoritisme, le népotisme, la corruption, la concussion, le trafic d'influence, l'enrichissement illicite, la discrimination sous toutes ses formes, le sexisme. Tout ça, c'est banni et puni par la loi. Donc, à partir du moment où la loi a dit comment les choses doivent se passer, si on fait autre chose, c'est qu'on s'expose à, la loi et nul n'est au-dessus de la loi. L'article 39 de la Constitution nous dit de manière assez claire tout citoyen, civil ou militaire, a l'obligation absolue de respecter en toutes circonstances la Constitution et l'ordre juridique de la République. Ça veut dire qu'on n'exclut personne. Que vous soyez pouvoir ou que vous soyez simple citoyen, vous avez l'obligation de connaître la loi et la respecter. Nous, Mohamedou Arzika, on vous remercie. Je vous en prie. L'acteur de la société civile, nous, Mohamedou Arzika, qui pense que le secteur de la santé doit être véritablement assaini au Niger. Voilà, nous sommes au terme de ce forum euh, du studio Kalangou euh, de ce mardi 17 euh, janvier 2017. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre constante fidélité au programme du studio Kalangou. Au revoir les programmes de Studio Kalangou à Niamey sur la radio alternative 99.4 FM à Zender sur la radio Choukra FM 105.5 FM à Dosso sur la radio Fara 92 FM à Tawa sur la radio Tambara 107 FM à Arlit sur la radio Ipokan 95.1 FM à Agadez sur la radio Nomad FM 101.9 FM à Tilabéri. Sur la radio Téboissé. 97.5 FM à Maradi. Sur la radio Garkwa. 107 FM à Filingue. Sur la radio Muriatalata 95.1 FM à Difa. Sur la radio Anfani. 100 FM. Studio Suivez les programmes du studio Kalangou partout dans le monde grâce à sa page Facebook. La page Facebook du studio Kalangou. J'aime et je partage.